xam nga campagne électorale euh, pour les élections locales lu doy waar la parce que euh, campagne gox sa gox la expérience bi ñu yàlla may aussi euh, si xam-xam si collectivité territoriale ak coalition Benno Bokk Yaakaar bi ma si commune de Rufisque Ouest dans le département vraiment nous devons def un diagnostic un diagnostic global euh, des quartiers de la problématique aussi euh, du cadre de vie C'est là où le comité scientifique Sukondo pour def vraiment un programme qui correspond d'abord euh, aux compétences que nous avons transférées aux collectivités territoriales, que soit dans le domaine de l'éducation dans le domaine de la santé dans le domaine du sport de la culture de l'aménagement du territoire et surtout du cadre de vie fait moo nous dérouler campagne nous avons beaucoup insisté sur plusieurs aspects d'abord euh, il faut euh, que la participation citoyenne soit effective pour que loolu soit nous nekk que le euh, conseil de quartier est un conseil de quartier est une benn structure bu nekk ci quartier yi li ñu dans quartier yi la composante globale des identités remarquables ci quartier Comment par les imams Commencez aussi par euh, le délégué de quartier. Commencez aussi par le président d'ASC, Badjanou Gohi, groupement, mais personne ressources, qui ont aussi quartier. Nous avons un rôle de diagnostic d'abord des problèmes ce quartier. Nous avons yobu à notre niveau. c'est pour ça que je salue vraiment euh, le décret du président signé pour mettre sur pied le cadre de concertation communale. C'est vraiment une initiative qui est solo. L'initiative boobu permettre que sous quartier à travers leur conseil de quartier def leur diagnostic dañ remonter dans ce cadre de concertation mu d'abord d'abord premier euh, volet arbitrage avant mu yegg au niveau du conseil municipal et c'est comme ça que nous allons élaborer même notre budget que ce soit aussi un budget participatif parce que il n'est plus question pour nous en tout cas que le maire même s'il est élu démocratiquement par les populations Il faut faire l'arbitrage social en ce qui concerne les accompagnements scolaires ou les démolir sur le plan social ou sur le plan de l'éducation il appartient à ces conseils bi nga xam ne exactement lan mooy seen lan mission Ils xam définir que nous sommes seen ñuy recenser ñi nga vraiment ils ont dans des difficultés d'être accompagnés dans l'éducation am aussi difficultés yi nga sur le plan social mais du maire moo war a toog de façon partisane souvent lañ koy def di jël nit ñi ñu dimbali ak yooyu ñun pour ñun politique boobu c'est déjà révolu dans le domaine de l'éducation nous avons constaté que dans notre commune aussi il y a un manque de tout c'est-à-dire tey que ce soit au niveau de l'éducation il n'y a pas de lycée donc de concert avec le conseil départemental nous voulons vraiment euh, faire le link pour nous battre afin que Rufisque Ouest quand même puisse disposer de son lycée parce que li ñu seetlu euh, dafa am njëriñ dañu te ñu niveau troisième niveau 3e après da dem commune pour dem jang encore so seconde première terminale aussi que toute la formation puisse se poursuivre ici jusqu'au bac combat nous avons constaté aussi que dans notre commune il y a beaucoup de postes de santé sur le plan de la santé mais malheureusement on n'a pas de centre de santé et quand tu n'as pas de centre de santé ça ne veut pas dire que tu as un médecin assermenté pour une population qui fait à peu près 55 000 habitants donc c'est une situation dramatique mu est aussi vraiment un combat et nous l'avons vraiment inséré dans notre programme pour relever ce défi d'infrastructure et maintenant faire vraiment euh, des équipements infractuels, une politique réelle pour que nos personnes puissent avoir un bon suivi sur le plan de la santé. Il y a aussi tamit le volet de la formation parce que nous avons constaté qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de jeunes diplômés mais ces jeunes ils sont à la quête du premier emploi ou bien da ngay manque expérience wala doo xam lan ngay Demain soo demee soo présenter sa CV mën nga un très bon CV mais dañ lay wax yow foo ma sa aussi euh, muy loo xam ne de faire diagnostic bi dañu ne ñun suñu commune quand même Il y a des entreprises Qui ont ne ne sur euh, na parce que euh, dans le cadre de leur participation dans la RSE ou autre war nañu imaginé imaginer quand même des conventions des conventions qui leur permettraient aujourd'hui que les yooyu nga ont un dañu am diplôme wala un métier à travers la formation parce que aussi sur nos programmes, le volet formation de faire un am solo tey rek maa gis benn xale ma ne ma man plongeur là mais dama bëgg dem école bu nekk Ngor pour defi fa formation ma ko à souhait parce que formation bi ma ne ko lu tax formation plongeur mu ma que le Sénégal est un pays qui regorge de pétrole ëllëg avec les infrastructures installées dans le domaine du pétrole, plateforme, ils auront sûrement besoin de plongeurs pour qu'ils dina s'il y a des réparations muy idée que ma pour dire que les jeunes ont besoin d'être accompagnés C'est que nous nous ñu indi le volet formation et ce daf nous permettre que aussi à travers l'entreprise yi nekk nous ñu contractualiser pour leur permettre au moins de nous appeler aussi dans notre collaboration institutionnelle et entreprise nous voulons volet boo en stage pour que nous ayons assez d'expérience euh, pour euh, le premier emploi